tax du koy juum yàlla muccal na ko ci ñuy juum neena ma lay salim te mooy man ko yàlla may la ko lu may lu kenn kenn du raxas soli te ba loxo te xam na nga bëgg kenn ki nu ki nu bëgg mën a sukk bëgg ba di bëgg lenn ki nu bëgg te ba bëgg ci ñeme dëgg

dafa ci teg dama ci nuyoo bi Mor Ndiaye Mbaye Mor Ndiaye Mbaye xam ngeen ko yéen a ma ko gën xam yéen yéen a dëkk ci coow di teg ci nuyoo bi di nga xamante ni moom mooy coordonnateur u ñetti coordination yi muy njagawaat di nuyu Alaaji Jabel Dieng di nuyu. John eh, eh, eh, maa ngi nuyu El Hadj Mbale Diop moom it ngeen xam ko mu nekk ci parti bi di fi liggéey comme ñëpp di rafetlu teewaay bi di rafetlu ñu fi teew ñëpp jeunes yi nga xam ne ñoo organisé bi nag ma leen remercier dama leen di encouragé ñoom Basse ñoom euh, Dieudonné ñoom Pape Malick ñoom Adelika mais vraiment remercier leen ñëpp dañ ko voté ci yoon rek bu ñu kenn xoxatal bu ñu kenn tiital Ah, je voudrais, ici et maintenant, dire bonjour et merci à tout le monde. Bonjour parce que simplement, nous avons fait une campagne exceptionnelle jusqu'à aujourd'hui, depuis plus de 15 jours. Parce que nos jeunes ont sillonné l'ensemble du territoire de la commune, dirigé par Massa moto ils ont fouillé tous les coins et le coin du quartier, tous les coins et le coin de la commune. Évidemment, nous avons entamé une belle campagne, une belle semaine de campagne. Nous avons fait l'ensemble des foyers religieux de la commune. Nous avons visité l'ensemble des chefs de quartier, des délais de quartier de la commune. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire Sinon d'engranger. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire Sinon ramasser les fruits de notre travail. Je voulais ici et maintenant jeunesse. Je voudrais ici et maintenant et ce soir même encourager nos femmes, nos braves femmes, pour que la victoire, le soir la victoire puisse enfin sonner, pour que Kies, mais vraiment notre parti et notre coalition puisse retrouver sa place, celle qui lui revient de droit. Nous ne devons plus rester dans l'opposition dans cette commune. Qu'est-ce nous appartient, Qu'est-ce appartient à l'APR, Thiès appartient à la coalition. Macky voilà le discours voilà la vérité je voudrais remercier je voudrais remercier ici et maintenant un ami mais un grand ami un frère un condisciple un frère talibé de Cheikh Ahmad Bamba un frère talibé de Cheikh Ibrahim Afal, je me nomme Kaamoudou qui est là qui a fait le déplacement de Dakar malgré toutes les difficultés qu'il a euh, traversées. Je voudrais enfin remercier tout le monde, remercier notre grand frère qui est là ce soir, Omar Diop. Il a fait, il a refait. Grâce à Omar Diop, les jeunes ont mené une belle campagne et une campagne digne de ce nom. Grâce à Omar, les femmes de notre commune ont mené une belle campagne et une très belle campagne. Grâce à Omar. Je voudrais je voudrais remercier tout le monde dañuy wax ci wolof ne ku lim juum wax dëgg yàlla ku lim juum maa nag man nag damay lim waaye maa ngi sant sama dofa bi waaye maam Ndiaye ah sant naa ko taxaw na ma ko moom ndax laa bëggoon daaneele bàyyi di leen delloo kàddu gi Pape Pape Seye la wala Pape Seye Pape Seye Cheikh Ndong ak Pape Seye waaw ak Ba ba bi jógee foofu ñu ngi gërëm ñëpp daal faa bi jógee foofu ñu ngi gërëm ñëpp ci teewaayu ñëpp ma ne jigéen ñi dimanche gannaaw suba ñu gagné dimanche ba ca topp nag ñu def tànn des communal Let's go. Vai!